Nous dénonçons avec la dernière énergie le comportement et la mauvaise démarche du ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, suite aux instructions du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, sur le projet de l'emploi des, jeunes. Vous notez après ce qui vient de se passer au Fouta et qui se dessine en bas, du fait d'un comportement manifeste du ministre de l'Environnement dans le racisme politique, de la cécité et du népotisme. Dans la répartition des 10 000 emplois, un ministre récidiviste des faits de ce genre. Nous les jeunes de la commune d'Ambao déplorons de manière catégorique la répartition des emplois de la Grande Muraille Verte. De nous interpellons Monsieur le Président de la République que le ministre Abdoukarim Sall a fait un détournement d'objectifs qui doit être corrigé, une absence notoire d'équité, d'égalité et de transparence dans la répartition de ces emplois. Il argue dans l'entêtement à utiliser ses emplois à des fins politiques. Par exemple, en Mbao, la transhumance est devenue la seule et unique moyen de bénéficier de ces emplois. Comme indiqué, ces emplois nous reviennent de droit et doivent passer régulièrement par les canaux indiqués, donnant chance à chacun de nous de pouvoir postuler et d'obtenir un emploi décent. Nous demandons au président de la République, M. Macky Sall, de résoudre cette défaillance d'équité du ministre Abdou Karim Sall. Nous lui exhortons à prendre en charge de la plateforme emploi environnement, les émeutes ou les tensions du 8 mars derrière devraient servir de leçon aux responsables étatiques de faire davantage preuve de transparence sur l'emploi des 14 jeunes parmi nos jeunes du Sénégal ont donné leur vie à martyr une révolution historique. Le président de la République, son excellence, pour son premier discours avait dit que nous avait compris. Mais la fameuse, sa fameuse phrase « Je vous ai compris » n'est pas bien perçue par son ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall qui en fait depuis quelques jours un instrument de chantage et les collecte de jeunes militants qu'il peinent à regrouper depuis des années d'investissement et d'amateurisme. ay émeute dafay xewoon Sénégal yëpp génn lu mat quatorze jeunes perte ci seen bakkan président mu génn mu nañu je vous compris sur ce xam na ne manque emploi moo fi am mu woo jeunes ne leen dinaa leen utal ay emploi sur ce bi mu mayee ay emploi daf ko jël jox ko ñoo xamante ne ñoo nekk ci moom ñoo dendeek moom bi ñu ko jëlee war ko jox ñi nga xamante ñoo ko yellool yaakaar naa waroon nañ ko jël ñu distribuer ko pas d'une a génn amul woon parti diw amul woon parti diw amul ne nit ki nga pour dénoncer qu'il arrête, qu'il arrête de faire son chantage. Il a cherché par ah tous les moyens à ah récupérer ah la jeunesse. fu nekk jaar na fi jeunes yi fu nekk jaar leen pour récupérer leen ñu bañ fi mu toll ni chantage la toll ak ñoom mu ngi leen di dikk ay Auchan ak ay restaurant wu maris ñun duñu ay gan xam nañ li fi xew donc na leen wax dëgg gi mënu leen utal liggéey mënu fi nekk ARTP booba léegi nii utalu fi nit contrat mënu fi nekk ministre de l'environnement utalu fi nit contrat nekk fi booba léegi ay weeri weer wala ay ati at donc mu xaar ba ñëw ba dernier moment fi mu toll da leen di dem gëmloo président ne leen jeunes yi si nekk fii récupéré na leen jeunesse baa ngi nii bi yëpp dañoo ah génnoon war a ah ñëw ah tey ñëpp a ngi nii tout Mbao est on est contre nous disons non nous ko nangu pas ko nangu ñu gënoon madame. Nous disons nous ñu jël distribuer parce que boo nous li fi xew rek parce que parce que Nous na Kanel ak Nous c'est pas la première fois que nous dénonçons Abdou Karim Sall depuis qu'il est ici dans cette commune nous, ñëpp waa nous ñoo fi nous waxandoo ñun on souffre on souffre énormément parce que nous ñu jaamu tey mooy ñu chaque jour nous mu nous bëgg ko def nous ñun nous que def il va nous contrer wala def ñu nangam pour pour du que nous employabilité ne na président ñu ko jox nañu ko jox na bàyyi politisation bi muy def wala di jéem a nit ñi politique de récupération bi muy def di leen jéem a pour di leen gëmloo ay emploi ak yooyu amul amul ñun ñëpp nag ñu ngi génn nous disons non et nous on va dénoncer jusqu'à notre dernier souffle dafa doy dafa doy